auditeurs du studio Kalangu, bonjour. Il est 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu de ce jeudi 6 avril 2023. Je suis Fanta Chamsou et avec moi Ali Moukela Ousseini alias Teno 50%. La technique est assurée par Amina Hassan et Adama Dawaki à l'édition. Seno, bonjour. Bonjour Fanta, comment vas-tu Je vais bien, Alhamdulillah. Et toi Ça va, Dieu merci. Alors, euh, qu'allons-nous servir à nos auditeurs aujourd'hui eh bien, c'est nous, comme d'habitude, nous ouvrons cette édition avec un flash d'informations. Il y aura aussi une chronique cinéma avec notre collègue Aladdin Meiga du Loti avec les femmes du studio Kalangu. Il y aura aussi une page sport avec notre chroniqueur sportif Soumana Amadou et de la culture linguistique en français et en fulfulde. Dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Madawa pour parler du problème d'eau auquel fait face la population de cette région dans ce mois de Ramadan. Sans oublier nos rubriques spéciales Ramadan dont les conseils sur le comportement du jeûneur avec un prédicateur, les conseils diététiques et enfin la rubrique rose. Et comme invité, nous, nous recevons ce matin Nouridine. Il est étudiant et aussi styliste. Avec lui, nous parlerons de la mode. Chers auditeurs, c'est parti pour le flash d'information avec Nafissa Adamou Sirfou. Bonjour Nafissa. Bonjour Fanta, bonjour Seno et bienvenue à tous dans ce flash d'information. Le président de la République a donc dépêché une mission du Conseil national de sécurité conduite par le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur de la région d'Agadez. Cette mission a pour but de trouver des solutions à l'insécurité qui s'y développe dans la région. Le ministre de la Défense, Al-Kassoum interrogé par notre correspondant, a indiqué que la situation sécuritaire de la région d'Agadez est inquiétante. Des mesures doivent être prises pour y remédier. Sorti hier matin de la première promotion des étudiants en ophtalmologie de l'université Moumouni de Niamey, ils sont quatre à avoir suivi la formation de quatre ans et selon le professeur agrégé Hamza Abdou, leur encadreur, les récipiendaires maîtrisent déjà la chirurgie de la cataracte et sont prêts à être sur le terrain du travail. Enfin, 13 lauréats de la toute première compétition Startup et FinTech Challenge du projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numériques ont officiellement reçu leur prix à Niamey, des subventions qui leur permettront de développer leurs projets. Et notez que cette compétition a pour objectif d'identifier les meilleures start-up et fintech au Niger et dans la sous-région à travers l'évaluation des solutions qu'elles proposent pour accélérer l'inclusion financière des populations nigériennes, en particulier les femmes et les producteurs en milieu rural. C'est la fin de ce flash. Merci beaucoup Nafisa pour ce flash d'infos. Chers auditeurs, comme annoncé, nous avons avons comme invité du jour Monsieur Noura Zakaria. Il est étudiant et aussi styliste. Bonjour Noura. Bonjour. Bonjour Noura, ça va ça va, Dieu merci, Alhamdulillah. Super. Alors, euh, merci d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Avec vous, nous allons parler de mode. Mais avant, écoutons d'abord euh, les conseils du prédicateur Oustaz Haladou, hein, qui nous parle de la conduite à tenir avant la rupture de jeûne. N'est-ce pas, Fanta Bien sûr, c'est nos car il y a un certain nombre de règles à suivre lors de la rupture du jeûne. Oustaz Haladou est joint au téléphone par Hawa Ousmane il a des conduites avant la rupture. Vous savez, la rupture, ça fait partie des actes euh, d'adoration. Or, tout acte d'adoration a besoin de recueillement. Tant que c'est possible, il faut s'organiser. On peut, après avoir même fait ses ablutions, on peut accomplir deux, deux pour confirmer ses ablutions, lire le Coran ou faire d'autres, chercher le pardon d'Allah, réciter les formules, euh, les noms et attributs de Dieu ça nous permet donc de, rompre dans la concentration, mais surtout de pouvoir euh, invoquer. Parce que, effectivement, au moment de la rupture du jeune, c'est un moment où les invocations sont invoquées. Chers auditeurs, c'était là les conseils du prédicateur Oustaz Haladou, joint au téléphone par Hawa Ousmane. Maintenant, nous revenons vers vous, Monsieur Noura. Première question, c'est quoi la mode voilà, merci beaucoup euh, Seino. Euh, tout d'abord, avant de répondre à la question, je tiens très sincèrement à remercier Studio Kalangu pour euh, l'invitation mhm. à mon honneur pour parler de cette question de la mode. le plaisir est partagé. Effectivement. <laughs> je vous en prie alors. voilà, pour répondre à la question, on peut retenir en tout cas que la mode peut être quand même défini comme l'ensemble des tendances et les styles vestimentaires mm. qui, sont, qui se rapportent à une communauté et surtout à un moment donné, mm. étant donné que euh, le monde évolue, les sociétés changent, donc euh, la mode aussi évolue avec les contextes socio-culturels et économiques. Mm. Alors, euh, Noura, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la mode étant étudiant parce que vous êtes aussi étudiant. Euh, je rappelle que vous êtes étudiant au département de psychologie. Deuxième année de master ou première année de master Bon, voilà. Euh, oui, oui, effectivement, je suis étudiant au niveau de l'Université Abdelmoumoune de Niamey. Je suis euh, en année de licence, donc en instance de master 1. Inch'Allah, je vais me spécialiser dans la question des organisations. de la question des organisations. Mhm. pour la petite histoire, mhm. c'est pas en étant étudiant à la fac que j'ai commencé à faire euh, la mode. Ah, c'était bien avant. C'était bien avant, c'était lorsque j'étais euh, juste après l'obtention du BPC. Ah, euh, donc après cela, j'ai pris mon inscription dans un CG de la place, mais quand même, il y avait des grèves. Et en ce moment-là, dans le quartier, il y avait un couturier qui était venu de Madawa. Donc, parfois, je partais, on échangeait avec lui. Et c'est de là, petit à petit, j'ai l'aidé jusqu'à ce que je me suis inspiré à apprendre la couture mm. dans un premier temps. Et après, euh, avec la technologie, j'ai commencé à regarder sur YouTube, etc., etc., pour euh, davantage me spécialiser dans la question de la, de la mode et du stylisme. Mm. Donc, euh, j'ai pu cheminer jusqu'à aujourd'hui je suis dans la mode et j'arrive à joindre, parce que ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis le collège, j'arrive à joindre, et le lycée du moins, j'arrive à joindre les deux bouts. Justement, dites-nous comment vous arrivez à allier votre vie, euh, les études et puis la mode oh, C'est très difficile, hein? je, je, ne vous le cache pas, c'est extrêmement difficile. D'abord, par rapport même à la stigmatisation, au fait, la condamnation sociale. Mhm. Parce que jusque-là, au Niger, euh, au niveau familial, vous allez voir, euh, il y a déjà ce refus de voir que vous étudiez, que vous partez travailler ou faire un autre travail. Pas même la mode. Parce que euh, moi, d'après l'expérience que j'ai vécue, nos sociétés ou nos parents, crois que la réussite, c'est seulement à travers les, études. Et je me suis battu, j'ai montré véritablement qu'il était possible. Et Heureusement, heureusement, j'ai jamais redoublé. Même euh, depuis que j'ai commencé, j'ai jamais redoublé jusqu'à la fac. J'ai toujours euh, eu des bonnes notes. J'étais parmi les cinq premiers de eh ma ben, classe. <laughs> Chaque année, donc euh, il y a quand même la différence qui est montrée au niveau de la famille et hmm. qui avait fait en sorte que finalement eux-mêmes ils ont dit ah c'est une bonne chose, vous pouvez continuer à faire ça. Donc qu'est-ce que je fais dans l'organisation je pars à l'école. Mhm. Déjà, on descend à 13h. Donc, je viens à la maison, je me repose jusqu'à 16h. Mhm. Je pars au travail, je descends à 20h. Et lorsque je descends à 20h, je viens, je révise un peu. Ensuite, je m'endorme pour demain. Donc, c'est comme ça j'ai cheminé, j'ai cheminé jusqu'à jusqu'à l'université. Et à l'université, il y a aussi une autre réalité parce que là-bas, les cours, c'est de 8h à 18h c'est extrêmement compliqué. Raisonnement, ça, c'est la casse-tête totale, hein, parce que avec les rendez-vous qui se multiplient, parfois, euh, des activités qui se multiplient aussi, et à les cours, c'est vraiment pas facile. Mais quand même, euh, je suis tenir le coup, et jusque-là, alhamdulillah, ça va. En tout cas, moi. Mais dites-nous, euh, qu'est-ce que vous faites concrètement bon, Dans la mode, en tant que tel Oui, ouais, ma cible, avant même de dire ce que je fais, c'est d'abord le côté homme. Ok. Euh, je suis plus spécialisé dans ce cadre. Euh, aussi, les, les, jeunes, les jeunes, les jeunes garçons, euh, les jeunes hommes et un peu les, les, vieux. Donc, en tout état de cause, côté homme, je suis, je suis plus professionnalisé. Mais cela n'empêche, pour les femmes, j'ai des gens avec qui nous collaborons pour faire. Mm. Euh, vous avez dit euh, euh, ce que j'ai fait Au fait, ce que j'aimerais que vous compreniez dans ce cadre, j'ai... ce que je veux dire, c'est est-ce que vous faites de la couture ou du design parce que c'est un peu deux choses différentes. Je fais les deux. Je fais à la fois les designs, à la fois je fais la couture. Je vous ai dit que j'ai regardé sur YouTube. Donc, je me suis spécialisé davantage. J'ai compris comment il faut faire le patronage, mhm. comment il faut faire les coupes pour les costumes, pour euh, ceci. Et j'applique parce que je finance. autodidacte <laughs> ouais, ouais, je finance pour prendre des risques que je fais et puis après, je cherche des résultats. Oui, mhm. oui. ouais, ouais. Et euh, comme vous dites, euh, il disait de la couture et de je ne me rappelle plus. <laughs> et du design. Et du design. ok, et le design, en fait, ça se fait comment Le design, il faut le prendre sur, euh, sur plusieurs volets. C'est l'inspiration que l'on tire à partir de sa propre pensée. On, se dit, bon, voilà, je, vais me lancer pour produire telle chose il se pourrait que ça, passe, Le côté esthétique. Euh, mais quand même, on cherche, <laughs> on cherche quelque chose d'esthétique du jamais vu, qu'il faudrait produire, qu'il faudrait mettre en place. Mm. Euh, c'est de là qu'il faut voir le côté design. Donc le patronage, c'est ça, c'est ça la coupe, la coupe, euh, comment il faut faire, parce qu'il faut avoir... Ah, le patronage, c'était ce mot que je cherchais. Oui, <laughs> ouais. ouais, effectivement, moi j'ai compris, donc j'allais compléter ça aussi. Donc c'est la pratique qu'on met, mm. l'esthétique aussi qu'on met pour pouvoir avoir sa propre manière de faire les coupes, parce qu'il y a plus de 1000 manières de faire les coupes, et chacun a sa manière de mm. faire. oui Ouais, D'accord, Noura, avant de continuer nos échanges, nous allons euh, vous laisser souffler et continuer avec les rubriques spéciales Ramadan, n'est-ce pas, Fanta Oui, c'est nous. Après les conseils religieux de tout à l'heure, cette fois-ci, c'est au nutritionniste Abdelrazak Bello qui nous donne la parole. Il explique comment bien s'hydrater après une longue journée de jeûne pendant cette période de forte chaleur. En effet, Fanta, la consommation de certains aliments et boissons est et recommandée autant pour moi pour euh, une meilleure hydratation, tandis que d'autres sont à bannir. Il est interrogé par euh, Rukayatu Abdurrahman. On écoute. Pour mieux gérer son hydratation, ce qu'il faudrait vraiment éviter ou modérer, la première chose, c'est notamment les excitants. Habituellement, lorsqu'on prend des excitants, on a tendance à émettre des urines et c'est pour cette raison qu'on dit que généralement le thé a des vertus diurétiques, favorise l'élimination des urines. En temps normal, c'est plutôt un avantage mais pendant le mois de Ramadan, ou lorsque nous perdons de l'eau, il ne nous est pas possible de remplacer cette eau. Donc, du coup, ça peut favoriser la déshydratation. Également, d'autres éléments qu'il faudrait éviter pendant le mois de Ramadan, les aliments qui généralement renforcent la soif, parmi lesquels les aliments qui contiennent de l'arachide. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait modérer la consommation de ces aliments-là. Les boissons sucrées, il faudrait les modérer parce que quand vous consommez beaucoup de boissons sucrées, ça désaltère à un moment, mais les conséquences de ces boissons sucrées, c'est que lorsque vous consommez beaucoup de boissons sucrées, notamment la nuit, ça peut avoir une répercussion sur votre hydratation dans la journée qui va entraîner des vertiges. C'était là les conseils diététiques, chers auditeurs. À présent, retour au studio avec notre invité, Monsieur Noura. Il est étudiant, je rappelle, et aussi styliste. Alors, Monsieur Noura, dites-nous, la mode au Niger, ça rapporte Belle question. <laughs> Eh, pourquoi Parce que euh, je dirais au Niger, euh, jusque-là ça attend, mais ça va de l'ensemble, mais jusque-là ça attend. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de, l'esprit euh, de notre société par rapport à la consommation locale. Parce que jusque-là, on n'a pas atteint quand euh, le stade où euh, nos jeunes ou notre société d'une manière globale accepterait quand même de consommer nos produits locaux. Donc quand même avec l'état de sensibilisation, on peut espérer que ça va venir, mais pour le moment, ça attend un peu. Donc, euh, vous voulez dire que euh, la jeunesse consomme plus euh, les prêts-à-porter Effectivement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses visibles, à part les prêts-à-porter, il y a les Boston qui sont là parce que les gens se jugent non pas la qualité, mais la quantité. tant qu'on parle de quantité, on ne parle pas de valeur, on ne parle pas de, de, dans ce cadre est que quelque part, c'est pas parce que c'est un peu plus accessible c'est ce que j'ai dit. Mhm. On parle plus de quantité. Donc, ce n'est pas la qualité qui est recherchée. Mhm. Et lorsqu'on ne parle pas de qualité, on ne peut pas parler non plus de, de Parce que la qualité se trouve dans la chérité. Ah <laughs> Exactement. Ah, la qualité se trouve dans la chérité. On va continuer hein, toujours avec euh, euh, nos questions. Alors, euh, dites-nous, au Niger, est-ce que vous avez des activités que vous menez pour promouvoir ce secteur Hein, dans lequel vous évoluez euh, Voilà, euh, pour cela, je crois bien en étant à la fac, mm. parce que j'étais en première année, j'étais le premier étudiant quand même à, euh, à pouvoir lancer un défilé de mode au niveau de l'université avec, une thématique, avec une thématique euh, sur euh, la paix à travers le stylisme, à travers la mode. Donc euh, l'année suivante aussi, j'ai organisé un défilé et ça a fait en sorte que quand même au niveau de la fac, aujourd'hui, c'est visible. Les syndicalistes, quand même, ont arrêté de porter les, les chemises. Les à porter Aujourd'hui, c'est les prêts-à-porter nigériens qu'elles portent. Et ça donne l'image à l'ensemble des étudiants de l'université de porter aussi. Et à l'occasion de notre défilé aussi, on a invité des enseignants-chercheurs mhm. qui aussi lancent parfois des commandes euh, de couture, de prêt-à-porter à notre niveau. Donc je crois bien, à travers cette activité, on a pu toucher euh, de doigt notre cible. Et à part cela aussi, ici, au niveau national, j'ai participé à pas mal de défilés, Omaris Fashion, Tattoo. Et au niveau international aussi, j'ai participé à des défilés, notamment Kofa 3, et pas mal d'autres défilés qui sont tenus. Et moi-même en question, euh, il y a des étudiants euh, qui sont de l'autre côté du Bénin, de la Côte d'Ivoire, des Nigériens qui parfois nous invitent lors de leurs événements annuels pour venir les accompagner en termes de défilés, et parler euh, de notre culture, des habillements culturels que nous avons. Mm. Donc, il y a 10 les défilés que nous faisons déjà pour sensibiliser, c'est à la fois les tradis modernes. Mm-hmm. Donc, on met le côté traditionnel, mais tout à l'heure, dans la définition que j'ai donnée, j'ai dit la mode, elle est au fait euh, une perpétuelle transformation en fonction du temps. Elle s'adapte au contexte. Oui, oui effectivement. Donc il y a la modernité qui est là. Donc comment adapter notre euh, culture, hmm. nos manières de nous habiller à notre contexte actuel. Donc c'est du tradit moderne. Donc ça fait que euh, petit à petit les jeunes s'y intéressent beaucoup plus à ce que nous produisons ici. Ok. Alors, euh, dites-nous, est-ce que quelles sont, vous avez des difficultés que vous rencontrez euh, dans cette activité, dans ce domaine-là ah, Je crois la première difficulté, c'est la relation étudiant-travail, la première des choses. Euh, la deuxième des choses aussi, c'est que c'est les moins, les moins manquent parce que euh, tout à l'heure, on parlait de ce qui est accessible, donc la quantité. Je crois que pour faire de la quantité, il faut, des, il faut beaucoup d'aspects. Mm. En termes de besoins, il y a les matériels, il y a les machines, euh, à la fois de couture, les machines de broderie, et tout ce qui y va dans le cadre de la production euh, en masse. Donc, je crois bien, on a ces difficultés aujourd'hui. personnellement, c'est les difficultés que j'ai rencontrées, mais sinon, on forme pas mal de jeunes dans le quartier qu'on initie au travail, mais même s'ils sont formés, étant donné qu'il n'y a pas les matériels qui sont disponibles, c'est extrêmement difficile pour qu'ils soient aussi employables et qu'ils puissent nous aider à faire des productions en série. D'accord. Euh, on va aller avec la, dernière question. Alors, euh, Noura, quel message avez-vous à l'endroit de ceux-là hein, qui veulent aussi se lancer dans le métier de la mode Ouais, bon quand même, <laughs> avec sagesse, ce que j'étais à dire en quelques mots, je ne vais pas être long à ce niveau, je crois bien. Euh, je dirais tout simplement d'abord à la jeunesse d'oser. Il faut vaincre la peur. Aujourd'hui, nest n'est ni de vivre euh, dans ce dont tu ne veux pas. Mhm. Il y a tous les moyens qui sont disponibles. On a la technologie aujourd'hui qui est là. On a plusieurs manières quand même de se former. Donc, mm. je crois bien, avant de se lancer, c'est de chercher des informations sur ce qu'on veut faire. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, nous évoluons dans une société où il y a les critiques par rapport aux productions et surtout, il y a la question de la concurrence. Mm-hmm. Et pour faire face à cela, il faut beaucoup s'informer pour pouvoir répondre véritablement à la concurrence. La concurrence, elle est à la fois nationale, mais elle est aussi internationale. Mhm. Donc, à travers ces canaux, je crois bien que une fois que la personne s'informe, s'élance, elle a vaincu la peur, c'est que rien ne peut l'arrêter. Il peut vraiment euh, à de pouvoir réussir par rapport à tout ce qu'elle va entreprendre, notamment la question de la mode. Merci beaucoup Noura de nous avoir non seulement honoré de votre présence, mais aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Ah. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, euh, nous poursuivons cette émission, le Niger sur Kalangou, cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous recevons notre collègue Aladin Mega pour la chronique cinéma. Bonjour Aladin. Bonjour Seno. Bonjour, Bonjour Fanta. <laughs> Alors aujourd'hui, euh, avec vous, nous allons parler du découpage technique en cinéma. Car il faut le dire, le découpage technique est l'un des éléments clés de la production, n'est-ce pas oui, Fanta, bien sûr, on ne peut pas faire un film sans faire un bon découpage technique. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'un découpage technique voilà, euh, le découpage technique, c'est un processus de planification qui consiste à découper un film en plans individuels et à organiser les différents éléments de production tels que les mouvements de caméra, l'éclairage, le son, le décor, les costumes avant le tournage. En fait, le découpage technique permet aux réalisateurs de visualiser concrètement leur vision du film et de donner des instructions précises à l'équipe de tournage pour que euh, pour la, lors de la réalisation des plans, il n'y ait pas d'erreur et, puis euh, de tâtonnement sur le tournage. Donc euh, il, faut, il faut noter qu'on utilise les storyboards et aussi les animatiques. Les réalisateurs peuvent organiser les plans. Qu'est-ce que, sans vouloir vous couper Aladdin, qu'est-ce qu'un storyboard Voilà, ou bien animatique. Les storyboards, en fait... C'est un peu trop technique pour nous. <laughs> <laughs> les storyboards, en fait, c'est un dessin, c'est une bande dessinée. C'est comme une bande dessinée où les, on, fait les dessins des personnes et en fonction des plans que tu as, c'est que le scénario est en train de ah. dire, on fait les dessins pour montrer, pour avoir un aperçu du film. C'est ça les storyboards. Et les animatiques, c'est comme les dessins animés. Mm. C'est ah. euh, les dessins et c'est les, dessins qu'on anime. C'est ça qu'on appelle animatique aussi. C'est un peu plus clair. Ouais. <laughs> voilà. Et Donc, euh, Aladdin, dites-nous alors, quelle est l'importance euh, d'un découpage technique pour un film Oui, euh, en fait, il faut, il faut déjà le dire, c'est très important de faire un découpage technique pour ton film parce que si tu ne fais pas les bons un bon découpage technique, tu vas te perdre sur ton plateau de tournage et tes, techniciens ne pourront pas suivre. Le découpage technique est crucial pour la production d'un film car il permet au réalisateur et à l'équipe de tournage de travailler de manière organisée et efficace en découpant le film en plans individuel et en planifiant chaque élément de production. Cela vous permet également d'optimiser le temps et les ressources de tournage en évitant les retards, les petites erreurs qui peuvent coûter de l'argent. Parce que quand tu fais un film, c'est de l'argent. Quand tu fais des erreurs, il faut reprendre, ça va te coûter beaucoup. Donc euh, voilà un peu l'importance du découpage technique. Alors Aladdin, comment on fait euh, un découpage technique pour faire un découpage technique, il faut le dire, il y a plusieurs méthodes pour faire le découpage technique, déjà, ça mhm. dépend des écoles, ça dépend de la personne, du réalisateur et de comment il voit le film. Mais plus généralement, on va dire, mhm. pour réaliser un découpage technique, les réalisateurs commencent généralement par écrire le scénario ou le traitement du film. Ensuite, ils travaillent. Quand je dis écrire, c'est-à-dire que quand tu prends ton film, avec ton scénariste et tout, toi tu dois t'approprier le film et le réécrire toi-même dans ta tête pour que tu saches où où le film va, mm. quel que soit le film. Si tu commandes le scénario, mm. toi, en tant que réalisateur, quand tu récupères, tu dois, faire un, tu dois retravailler le scénario. Mm. Donc, ensuite, il travaille avec des artistes des storyboards, comme on a dit, ou les animateurs de BD pour créer les dessins qui représentent chaque individu, chaque, chaque plan individuel du film. Quand je parle de plan individuel, cest veut dire quand tu fais euh, un plan de discussion champ contre champ de deux personnes. Mhm. Le plan individuel, c'est le plan, par exemple, si je fais, je mets la caméra sur Fanta et je mets la caméra sur c'est euh, nous mhm. mhm. Donc c'est ça les plans individuels. Vous avez ah compris Ouais. <laughs> Donc les, les, réalisateurs peuvent également utiliser des logiciels pour stimuler les séquences, faire des plans, de tournage. Cela permet d'avoir vraiment euh, de voir comment les plans s'agencent ensemble et comment les mouvements de caméra, les effets spéciaux et autres éléments fonctionnent. Enfin, les réalisateurs travaillent en équipe de tournage pour mettre en place le plan, n'est-ce pas Pour mettre en place le plan détaillé qui va guider euh, chaque personne dans son travail pour qu'il ne fasse pas d'erreur. Bien, mais euh, Aladdin, je pense qu'il serait bien de nous filer quelques astuces pour réaliser un bon découpage technique. Ah <laughs> oui, parce que beaucoup de gens n'accordent pas trop d'importance au découpage technique. Et puis, quand tu fais ton film, ça se voit. Moi, dès que tu fais un film et que tu n'as pas fait un bon découpage technique, dès que je regarde ton film, je vois directement que lui, là, il n'a pas très bien travaillé son film. Donc, pour, on va dire, euh, quelques petites astuces qui vous permettent de faire un très bon découpage technique et rapide, je dis, il faut, il faut être précis et détaillé. Le découpage technique doit être suffisamment précis pour permettre à l'équipe de tournage de bien comprendre, de bien comme de comprendre exactement ce que vous voulez et comment vous voulez tourner. Utilisez les storyboards et les animations. Comme je l'ai dit, les storyboards et les animations sont des outils visuels précieux qui te permet de visualiser chaque plan et, d'assurer de, t'assurer que chaque élément de production est pris en compte. Il ne faut pas que tu dises il y a un gros plan sur une souris et qu'on oublie le gros plan sur la souris. Ah Donc ça force ton film. Pensez à transmettre euh, à, les transitions dans vos, dans, entre, les, plans. Parce que si tu ne mets pas de transition, si tu mets pas. Souvent, c'est quand tu programme tes transitions que tu vas faire des très bonnes transitions. Tu vois, par exemple, tu, tu passes, tu, tu regardes le miroir dans le film, tu regardes le miroir. Si tu veux faire une transition dans ton plan, tu peux faire les transitions pour sortir dans un autre plan en même temps dans un miroir ou bien un, Rien ne fait au hasard. En Rien. <laughs> Tu dois tout programmer. Donc, il faut vraiment que dans ton. de, de, de, faire tout pour programmer tout ce que tu dois faire, tous les petits plans, surtout les petits plans. Quand tu as des petits plans à faire, il faut les mettre dans ton euh, découpage technique. Ça permet à tout le monde de ne pas oublier l'équipe technique et toi-même mm. pour faire un bon film. Merci Aladin hein, de nous avoir éclairé sur ces sujets. Nous n'allons pas abuser de votre temps plus longtemps on se dit au revoir et à bientôt. Merci, bye bye. <laughs> Merci beaucoup. Fanta, c'est l'heure pour nous euh, de découvrir la rubrique rose, n'est-ce pas Bien sûr, c'est nous. Aujourd'hui, dans cette euh, partie de notre émission, nous allons parler du traitement et de la croissance de cheveux avec une plante sauvage qu'on appelle gandofoy en zerma ou bien yodo en hausa. En fait, c'est un des mélans naturels, tu vois. Mais avant, Fanta, ça, c'est juste la partie beauté de cette rubrique. La conservation des feuilles de légumes sera abordée aussi en partie cuisine. Écoutons ensemble nos chroniqueuses. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Coucou les filles, c'est Marie de la rubrique Rose les cheveux à l'honneur. En astuce beauté, nous parlerons des bienfaits d'une plante sauvage appelée Yodo en Hausa et Gandefeuille en Zarma pour les cheveux. Puis dans l'espace santé et bien-être, nous découvrirons les aliments qui favorisent la croissance des cheveux. Ça, c'est avec Maruki. Et enfin, en cuisine, avec votre chroniqueuse Bibi, nous verrons comment conserver la fraîcheur de nos feuilles et légumes longtemps après leur saison. Salut les filles, me revoilà, j'espère que vous allez bien. On a tendance à croire que les cheveux constituent une partie qui ne vit pas. Détrompons-nous les filles parce que nos cheveux vivent et ont besoin d'entretien et d'apports nutritifs en vitamines A et C pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, notre spécialiste en nutrition, docteur Abdrazak Bello, que nous remercions, nous dira quel type d'aliments consommer pour une bonne croissance des cheveux. On l'écoute les filles. Parmi les éléments qui sont indispensables euh, à la croissance des cheveux, il y a la vitamine A. Tout ce qu'on euh, la carotte, à tous les aliments qui ont une coloration jaune-orangée, que ce soit la passée, que ce soit euh, la tomate. Et également, il y a la vitamine C. Parce que euh, dans les cheveux, il y a une substance qu'on appelle le collagène et c'est ce qui est responsable de la santé des cheveux. Et la vitamine C est favorable à la synthèse du collagène. On prend le moringa, c'est riche en vitamine C. On prend les feuilles vertes de façon générale, riche en vitamine C. Les oranges et la famille des oranges, le citron, plus on consommera la vitamine C, effectivement on va avoir une meilleure pousse des cheveux. de retour ce soir, nous allons parler d'une astuce à l'ancienne qu'une mamie nous a confiée qui fait pousser les cheveux, qui les rend plus lisses et fins qu'on appelle yodo en haussa et en Zarma. C'est une plante qui pousse dans la nature et que nous pouvons toutes utiliser pour la bonne pousse de nos cheveux. Pour plus de détails, écoutons notre mamie Fatima Amgar. Elle nous dit comment s'utilise cette plante. Moi, quand j'étais petite, en tout cas, euh, la maman utilisait ça pour euh, laver nos cheveux. C'est un excellent démêlant naturel. Après, tu as les cheveux euh, bouclés. Quand tu as les cheveux bouclés, ça, ça boucle encore plus les cheveux. Ouais, Mariam, je crois que chez vous, les filles targuées c'est plus utilisé. Hein? même à 20 j'avais lavé ma tête avec ça. Ah, toi, tu continues, moi, c'est que quand j'étais petite. <laughs> ok, on passe à la cuisine après quand on a nos cheveux bien lisses, en bonne santé. Ah, dans l'espace cuisine de ce numéro, nous allons parler de la conservation de quelques légumes frais. Généralement, on profite des saisons pour faire le plein de vitamines, avec des légumes et des feuilles vertes. Et souvent, on aimerait bien continuer à profiter de leur fraîcheur, même après la saison, mais ça devient super cher sur le marché. Commençons d'abord par la tomate. On peut profiter de sa fraîcheur longtemps en hein, les plongeant dans de l'eau bouillante, puis retirer la peau après. Découper ou mixer, conserver plusieurs semaines au congélateur dans des sachets ou dans des bocaux. Passons à présent aux herbes aromatiques céleri, persil, coriandre fraîche, basilic ou ciboulette que vous pouvez trouver au marché. Ben, vous pouvez les garder frais pendant plusieurs semaines, mais pour ça, va falloir les hacher, les mettre dans un sachet ou un bocal, rajouter de l'eau ou de l'huile de tournesol ou d'olive. Personnellement, j'ai utilisé les deux et je vous dis, avec l'huile, c'est meilleur. Puis vous les mettez au congélateur ça se garde plusieurs semaines. Ou encore, vous pouvez mixer toutes ces herbes avec du poivron, de l'ail et du piment frais pour euh, les amateurs. Vous pouvez les incorporer directement dans vos sauces ou vos vinaigrettes. Alors, ravi toutes ces épices-là et ces herbes, est-ce que c'est accessible sur les marchés Oui, avant c'était super compliqué d'avoir par exemple de la ciboulette euh, au marché ou même de la coriandre fraîche, mais maintenant tu peux en trouver. Il y a des petits bouquets, mais <laughs> qui coûtent cher. Ça, c'est super. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, amis jeunes, on va se dire au revoir. Bye bye Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique rose tout en espérant que vous avez aimé. C'est nous à présent direction Tawa pour le reportage région, n'est-ce pas oui, Fanta, aujourd'hui, c'est dans le département de Madawa que nous allons nous rendre pour parler du problème de manque d'eau potable dans cette ville et surtout pendant ce mois de Ramadan. Oui, c'est nous en effet. Depuis euh, un certain temps, les habitants de différents quartiers de la ville de Madawa vivent une pénurie d'eau potable. Et c'est malgré les différentes démarches menées par les organisations de la société civile auprès des autorités compétentes. Avec euh, un effectif de plus de 100 000 habitants, hein, la ville de Madawa dispose d'un seul château d'eau qui n'arrive pas à satisfaire les besoins en eau de cette population. Reportage signé euh, Hamza Nomaou. don harkon wannan hata na azumi mazamna garin madawa na fuskantar matsalar ruwan famfo inda har zuwa yau ana fashe kimanin kwana biyu zuwa uku ba a samu ruwa ba a famfo a gidaje daban-daban na unguwannin madawa kamar yadda za ku ci ga bakin wa'ansu mazamna garin na madawa to gaskiya samun matsalar ruwa ga azumi yanzu muka sha ruwa muna kai karfe ɗayan dare muna jin ruwa su zo su zo ba wani bi su zo karfe biyu da mun fara ciko layi yayi an ka kai karfe uku hudu sai su ɗauki kuma shi kenan famfo akwai na wajen mu can ma sai ya sati kaf babu ruwa su taimaka ma da shatu guda bai mata. to matsalar ruwa kullum abu sai lokaci guda shi kama ya kamata a ce to an yi maganin matsalan nan lalle mu wannan matsala mun doke ta babba gaskiya da yanzu haka ni famfan gida na yau ya kai kwana goma bai da ruwa in ya ka ruwa bai wuce minti biyar a cika su biyu ko uku shi kenan dako hami shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin hara hula na gunduma ramadawa wanda ya ce ya yi tattaki shi da kan shi har zuwa ofishin eh, ma'aikatar ta gidan ruwa domin jan abin da ke faruwa da ruwa da wuta matsala gare mu nan madawa abin ga ya kai inda ya kai sai a yi kwamniki a faɗi jama'a su sani kowa su ɗauki prokosin kinsu in dai fan ce ka kaza ɓaci a yi haƙuri a gyara to zama cikin duhu na muke shin daga rijiya na daga resuna ta kanisen kin mu dai mu san ko ne ba. Mamudu Sale shine shugaban ma'aikatar ta gidan ruwa ta Madawa. Ya muna karin haske bisa kan wannan matsala ta ruwan sha da ake samu a wannan gari na Madawa. Matsalolin da ake fuskanta tun harkar azumin ga zuwa yau na karamcin ruwa. Eh, ba wata fan da muka samu ba a rashin wuta tun da harkar azumin gaba mu aiki da wutan Nijalat sai da group group kuma mun awowi ne na aiki da su tunda group secure ne yanzu sun zama na production amma rijiyoyin mu lahiya lau ne babu komi akwai ruwa abun da ya kamata a yi awa ashirin na production don a isa mutane kamar wajen metric ba dubu da dari uku da yan kai zuwa dari biyu muka yi amma yanzu abun ya rage gare mu kwarai kwarai kwarai tunda duka group uku gare mu kowace forage yana da group abun da muke tanadawa litir hamsin a ini zuwa uku wani bi kuma kira da mu jama'a duk inda aka ga ruwa a lauka a tanada saboda grup ma babu garanti bisa abun ga. To ko na matakai ne hukumomi ke ɗauka domin magance wannan matsala a ta ruwan sha a garin Madawa. Asuma Abdu shine magajin gari na Community Urban Kit ta Madawa. Mu a matsayin mu na magabata muna fuskanta ma'aikata ma'aikata wadda adda wannan nauyin ta ta ɗogo ruwa cikin ƙasa ta ta saida ma al'umma wannan matsala dai ta ruwan famfo ta madawa an jima dai ana mita kallon hadarin kaji inda har zuwa yau ba wani abu da aka yi illa ɗaukar alƙawla daban-daban Voilà, Fanta Hamza Noumaou, notre correspondant qui a réalisé ce reportage, est en ligne avec nous depuis Madawa. Bonjour Hamza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Hamza, ina kwana. Yanzu muka yi da sauraren rahoton ku akan matsalar rashin ruwa a mm-hmm. Madawa. Mm-hmm. Na ce ko wani abu ya canza bayan kun shirya wannan rahoton? To lalle dai ka yanzu ba abin da ya canza. Mm. Saboda kamar yadda kika ji shugaban na ma'aikatar gidan ruwa na hudi a hutar ba ta isa kuma suna da gurfa guda uku amma dukkan su ba su isa bai yiwuwa su yi kawa awa 24 bisa awa 24 suna da suna aiki kenan duk yadda za a yi in wanga ya an tada shi wani lokaci a kashe kuma a tada wancan mm. daga cikin bisa forashi kiɗin guda uku matsalar da ta shafi rashin wuta ne kenan to ana cewa rashin huta saboda akwai wani lokacin da akwai hutan ma ai kwanakin bayan ma akwai hutai amma akwai wanda matsala ta rashin ruwa saboda abin ba na wanga lokacin da ya na azumi ma in can baya ma akwai ta ana samun ta sosai amma lokacin azumin da yanzu abin ya yi zama ya yi ɗauka wani salo yadda mutane suna buƙatar ruwan kuma babu su in ji kamar yadda wani ya gidan shi ma ya kai kwana wajen goma ma ci ga dogon mm. ruwa ba a famfon shi. Mm. to idan ruwan famfo ba su iso ba ya wace dabara ce 'yan gari ke amfani da ita. to alhamdulillah da yake in tana cikin karka fadamar eh, matarka ti hmm. eh, cikin forage forage hakan ana samun eh, ruwa ana dauko ana kawo gari kuma akwai mutane ma wanda suka yi forage forage a gidajen nasu kuma suna ba mutane ana zo ana ɗauka. Hmm. To Hamza. vraiment. Merci beaucoup Hamza. Nous passons également notre salam à tous nos auditeurs qui sont à l'écoute depuis Madawa. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nos places au sport à présent avec notre chroniqueur sportif du jour, Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour. Donc, euh, nous arrivons à la page sport de cette édition. Oui. Et nous allons ouvrir avec euh, la lutte traditionnelle, qui est le sport le plus apprécié par les Nigériens. Et certains lutteurs des régions d'Agadez et Niamey ont quitté leur ligue pour rejoindre une autre ligue, ce qui n'est pas rare, n'est-ce pas Soumana Oui, effectivement. Comment peut-on expliquer cela alors eh bien, donc, euh, c'est là, ils sont six lutteurs, dont un de Niamey et cinq autres d'Agadez, qui ont quitté leur ligue régionale de lutte pour rejoindre celle de Dosso. Hier, le président de la Ligue régionale de lutte de Dosso a confirmé cette information dans nos éditions du soir. Elagi Abdou Harouna a cité nommément les six lutteurs concernés par cette défection, dont certains sont bien connus du public. Eh bien, pour plus de précisions, à ce qui concerne le changement d'équipe des lutteurs au Niger, je vous propose d'écouter Malam Barka Akoda, directeur technique de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Un lutteur licencié de mes région peut bel et bien quitter pour rejoindre une autre région. c'est son droit le plus absolu, mais il y a des règles. Par exemple, ne peut quitter son club ou bien sa région ou bien sa ligue qu'à la fin du championnat du sabre national. On finit la finale aujourd'hui, généralement c'est dimanche. À partir de lundi, il est libre d'adhérer à tout club qu'il veut et il a six mois pour le faire. Seulement, il est écrit à sa ligue, dire voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus leader de la ligue de telle région. Il peut dire là où il va ou bien il peut euh, s'arrêter là. Ils ont six mois pour le faire partir du sixième mois, s'il ne le PFA pas, il est obligé de demander l'autorisation de sa ligue. La ligue peut le laisser aller ou bien peut refuser à partir de ces six mois-là. Ou bien, quand la ligue finit ses éliminatoires, à partir de six mois-là, s'il est sélectionné, il est obligé de rester. S'il n'est pas sélectionné, là, il est libre d'adhérer à la ligue qu'il veut. Bon, généralement, c'est des questions de finances, des questions de rémunération, mais des questions de considération. Tu vas avoir un lutteur à il a tout. Quand il commence à février, les gens vont le négliger, il s'est vu négliger, donc il peut décider de s'en aller. Ou bien, à l'issue du championnat, ils ont été mal rémunérés, ils peuvent s'en aller là où ils euh, pensent qu'ils peuvent avoir quelque chose de plus constant, quoi. Voilà, donc euh, madame et monsieur, et c'est la fin, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci Soumana pour euh, toutes ces informations sportives. Merci et bonne journée à vous. Fanta, après cette page sportive, passons au portrait du jour. Oui, c'est non, celui d'aujourd'hui nous amène à Agadez. Notre correspondant Anissé Karim nous fait découvrir une jeune fille handicapée locomotrice qui fait du métier de tricotage son activité génératrice de revenus en confectionnant des habits de froid pour enfants dans l'objectif d'être autonome sans mendier de taille moyenne, le teint noir. Assise dans son atelier devant sa machine à tricoter, Maimouna Issa est tricoteuse, métier qu'elle pratique depuis l'âge de 17 ans. Ah, ah, Mon nom est Maimouna Issa. Je suis née à Agadez à l'âge de 27 ans. L'infirmité m'a eu à l'âge d'un an. Mon activité est le tricotage des habits de froid pour enfants. J'ai appris ce métier auprès de ma mère. Au début, j'ai tricoté à la main. Quand je pars au marché, j'achète le paquet de fil à tricoter à 4500 francs. Je tricote trois complets avec, mais des catégories différentes, au prix de 6000 à 8000 francs. Quand je vends, je gagne un bénéfice deux fois 5 000 ou 4 000 francs. Ce bénéfice me rend beaucoup service. Dans son activité de tricotage pratiquée à la main, Maimouna a pu économiser pour s'acheter une machine afin d'accroître son activité. Ainsi, elle a contribué à former d'autres apprentis filles et femmes handicapées qui désirent apprendre le métier. Avec ces économies, je puis payer cette machine que tu vois là pour le tricotage des habits de froid pour enfants. Elle me fait tout le travail que je veux. En une semaine, au désir, je peux tricoter 12 complets avec. Mais avant, quand c'est à la main, en 10 jours, tu vas pas finir un complet. Maintenant, j'ai la machine, je gagne beaucoup de bénéfices. Dans ce bénéfice, fils, j'achète à mes enfants de bic, Ardoise, Cré, et tout ce qu'il faut pour école et puis je paye la nourriture. À ces jours j'ai mon propre atelier. Il y a même deux sœurs handicapées pour la majorité qui m'ont dit elles ont décidé d'abandonner cette pratique pour venir apprendre le métier de tricotage. interroger quelques clients trouvés sur place ne cache pas leur satisfaction sur le travail de maïmouna Tous les habits de ma fille, à vrai dire, au moment du foie, je le paye auprès d'elle. Elle m'écoute à la main ou à l'aide de la machine. Toute catégorie que je désire, je paye auprès d'elle. À vrai dire, j'apprécie beaucoup ses habits. Ah, ah ses habits sont très jolis. Ils ne se pas. À chaque fois, on paye auprès d'elle car ça protège l'enfant contre le froid. Quelques difficultés ne manquent pas pour Maïmouna la mévente de ces produits. Notre difficulté au moment de la saison sèche, personne ne paye ses habits. Nous sommes obligés de les conserver jusqu'à la nouvelle saison froide. À ces jour, je suis en train de voir quelle activité mener en saison sèche qui va m'aider dans la vie. C'est pour ne pas aller mendier que j'exerce cette activité. Le souhait de Mamuna est de voir toutes les femmes et jeunes filles handicapées abandonner la mendicité pour apprendre un métier. Merci Anissé, nous disons bon vent à cette jeune fille. Fanta, il est temps pour nous de découvrir la recette culinaire du jour. Oui, c'est nous dans la rubrique recette culinaire d'aujourd'hui, les dames Hani et Rouma nous proposent euh, la recette du moringa. Le moringa Fanta, c'est la star du mois de Ramadan dans, cette <laughs> dans certaines régions. Un plat très brisé hein, pendant euh, la rupture du jeûne. Et un plat qui est préparé chacun selon sa façon. Cette méthode euh, est proposée par Hani et Rouma, comme je le disais. Elles sont au micro de Salamoutou Kadir aima ma nyum nyum ce hin zane aima ay ma da ay mari biyo dai kaga mari biyo hanse zan mari biyo da buno gara aiga ga aima ay hanse ma dan dambu da yan dam dambu ay mu shi ma fufu ta sai gozira ta so wani ko ne ay ga kasu mari biyo da tik dage dinga tonka dinga roma je dinga albisa ay mu sai kalam gorgora sai wai kasfa roma je mari biyo ai wanda ci robar kan ba inga da gidan sai kai ma kasu san bori ko sa kasu mo da lai na mai gundin gwan lamsin gidan din gwanda kolan sin gida din gwanda matani gine almisar ni man dan aga morti ni ma hazu kurkan gon ma dan aga musai to bakan no no no sino mo ni ne ukari mo abal de dana Voilà, chers auditeurs, j'espère que vous avez bien noté cette méthode. Fanta, comme d'hab, euh, on range tranquillement les marmites et on revient au studio pour euh, découvrir cette fois-ci le loti du jour avec les femmes du studio Kalangu, n'est-ce pas Tout à fait, c'est nous. Le loti du desk femme du studio Kalangu parle aujourd'hui de l'automédication dans le traitement de la diarrhée chez les enfants, une pratique qui est déconseillée par les agents de santé. Suivant Talata Abdou Bahar et Mariam Diallo. Affairage, affairage, affairage, affairage. Allah, qu'est-ce que tu me veux Hein J'ai tout fait. Tu refuses même le sein, mon bébé. Je n'en peux plus. Bani, qu'est-ce qui se passe, Myriam Je t'entends parler toute seule. Ah, hmm. c'est toi, Hadi. Tu sais, je ne comprends rien, mon enfant. Ça fait deux jours que ses selles sont plus fréquentes. Et il pleure. Il n'a envie de rien. Dis-moi, Myriam, les selles de ton enfant sont aussi moins formées et plus liquides qu'à l'habitude Oui, c'est bien cela. Comment tu sais ça Attends, il a aussi la fièvre, une perte d'appétit et des vomissements hum, Ajoute les maux de ventre, la présence de sang dans les selles. Voilà, c'est ce que je croyais. Il a les symptômes de la diarrhée. Hum? Mhm. Mais je lui ai donné des flagettes, ma chérie c'est resté sans effet. Un peu de vinaigre aussi. C'est pareil, sans effet. La diarrhée continue toujours. Là, je ne sais vraiment plus à quel saint me vouer. Normal. <laughs> Tu fais de l'automédication et c'est déconseillé. Myriam, voici ce qu'il faut faire dans un premier temps. Dès les premiers signes de diarrhée, celle un peu liquide que d'habitude, comme ceux qu'a ton enfant, ne panique pas continue son alimentation habituelle et surveille l'évolution de la diarrhée. Compense les pertes en eau et en sels minéraux avec les boissons contenant du sel et du sucre. Ces mélanges sucrés-salés sont acceptés facilement par les nourrissons. Mm-hmm. Mm-hmm. Par contre, les enfants plus grands les apprécient moins à raison de leur goût. Dans tous les cas, il ne faut jamais hydrater un enfant avec de l'eau pure car il pourrait mal le tolérer. C'est aussi simple que ça et oui, ensuite, conduis ton enfant dans un centre de santé intégré CSI. Là-bas, la diarrhée pourrait être prise en charge par un agent de santé. Alhamdulillah, Hadi, j'ai enfin trouvé la solution après deux jours de galère. Je cours vite au centre de santé de mon quartier. Et eh, Hadi, merci mille fois. Chers auditeurs, c'était le loti par les femmes du studio Kalangu. Retrouvons cette fois-ci notre collègue Abdul, Moumouni Ali Niali pour la culture linguistique. Il est journaliste et traducteur en langue fulfulde au studio Kalangu. Niali, bonjour. Bonjour Fanta, bonjour Seni. Bonjour Niali, avec vous nous allons découvrir ce que signifie le mot onomatopie Exactement. L'onomatopée Fanta et l'onomatopée est du genre féminin. On dira alors une onomatopée. Selon le dictionnaire français, le mot a deux sens. Au premier sens du mot, il est un processus permettant la création des mots dont le signifiant est étroitement lié à la perception acoustique des sons émis par des êtres animés ou des objets. Alors, un exemple d'onomatopée, le cocorico du coq et le boom de l'explosion. Au second sens, le mot onomatopée est une unité lexicale formée par ce processus. C'est pour cela on dira que les bruits comme le crac quand un bois se casse et le miau du chat ou le oups pour dire je suis désolé ont une origine onomatopéique. Alors, euh, Niali, avec vous, comme d'habitude, on aura une euh, petite euh, transcription en Fulfulde. Exactement, donc onomatopée, onomatopée excusez-moi, en français, en Fulfulde, on dira Nyeminol Dane ou bien Nyeminol Sautu. Voilà ce que j'ai aujourd'hui pour les auditeurs et auditrices. Merci, Nyali, pour ces éclaircissements sur le mot onomatopée je répète bien onomatopée. Tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit onomatopie. <laughs> Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en jarma, ou en tamashek en full full day, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Et justement, chers auditeurs, l'antenne est à vous. Mais avant moi, je pense qu'il serait bien qu'on fasse une petite pause. Hein <laughs> Il n'y a pas de souci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et comme tu le disais, c'est nous, cette fois-ci, nous allons écouter nos chers auditeurs qui ont bien voulu nous envoyer des messages. Ni sunana Suleiman Mutari. Ni mai sauraron studio Kalangu ne a koda yaushe. Kullum ina sauraron labarun su, ina sauraron shirye-shiryen su na kiwon lahiya da zamantakewa da al'adu duka ina saurara. To kash mu abun da ya rage mana a studio Kalangu. Shirin da ake yi na mun ji ana yi a maini da gegime. To mu bai zo mana diho ba. Ya kamata a ce shirin na sha daya A ce mu ma diho ana yin shi don mu karu mu ma da ayyukan su. Saboda ayyukan nan ban ma saurara mu wani abu yana barin mu. Saboda mu yanzu studio Kalangu ko ya bar mu ma kira muke lamba biyu uku biyar mu kira. Kuma daga karshe ina gaida ma'aikatan gidan radio studio studio kalangu da abokanan zaman mu na zandar da na difa ahmadu ali eh dolawul eh radio dalol eh emission ga ta do kalangu vraiment fami na himbe kuma mi yetti ɓe eh, kolla en habaruji indi en anda kuma ɗin ɓe kollata hana en fewre ga fewru wala nder o kanjum ni wiliya to ko gimmi kuma ɓe mballa himɓe wano ɗereji ɗin ɗe himɓe kokkete nder ladde wano ɗum yiya juju i e nodduma to hana a ware ɗum nodde ga piyeɗa aa gara kettinoɗa a moƴƴina ɗereji maɗa kanjum waddata kanjum yaratamen imen kokka ɗereji ɗin en kuma gaɗa noon wano himɓe i e kewi iɓe e mbarane bisaaji maɓɓe bisa to mbarama dow laawol in ɗum waɗi constat e haani njaha darto a hakke maɗa kuma ko portable ada photo nden kolla assurance on en assurance yoɓɓuma to imi hinna e himɓe leydi ɗo e wonɓe radio dalol abdoullahi alzum en i wuro laamiɗo mi hinna ɓe kau tu Yeti pun mak. sunana basiru rabiu eto eh gaskiya labaran studio kalangu sosai muke sauraron shi kuma mun gamsu da shi dari bisa dari saboda ta bangaren shi muke samun labaran da suke zuwa suna zuwa eto eh a gaskiya labaran nasu babu wata jita jita labaru ne na kwarai na gaskiya da gaskiya saboda mun gamsu da shi sosai mun yarda da duk abubuwan da suke gai gaskiya ne shi ya sanya muke sauraron shi kuma muka inganta shi sosai ina sauraron kalangu ta hanyar rediyon kirawa wannan shirin da suke na mata na wayewa kai iya birge ni inda hali a kara mai lokaci gaskiya na suna birge ni wannan shirin kuma kaman shirin da suke faɗin lambobin wannan nasu halla ko suna faɗin lambobi suna ce a kiraye su ta wannan shi ma wannan iya birge ni gaskiya yana yana yana kayatar da ni ina gaida majar kinmu Aminu mai ana a magariya ina gaida yan gidan rediyon kitari da haɗin kai to kuma a nan bandi ina gaida alhula ni hatsuma studio kalangu wallahi alhamdulillah tunda haga shi abu ne wanda ko ina ana ganin ga saurare shi nan dogon dutse ba ma nan dogon dutse ba karkarar ta dabra dabra ta ana sauraren shi wallahi alhamdulillah gaskiya mu wannan abu mun ga yana da ci gaba sosai wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen tun da labaru da dama muna ji wallahi sunana Amadu Ali studio Kalangu yanzu mutane kwarai sun bar ma sauraron wani radio in ba shi ba saboda duka kun ɗauke information in kun ka ga mutane duka babu abin da kaka saurare baka ji wannan zancen da an kai na farko suna ba mu bayani bisa komi kawai wanda dai nake son ca su zanki taimakon mu akwai takarun da aka ba talaka ko mutane waɗanda addajin nan da ba su san mina na an ma'ana takarra juju Chers auditeurs, Studio Kalangu, c'est aussi et surtout euh, la grande édition du soir les, cinq, les journaux en cinq langues et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec euh, Rafika Ataer, notre collègue chargé de présenter le journal en français. Bonjour, Rafika. Bonjour, Seno. Eh bien, euh, nous avons l'ouverture ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la première session ordinaire des lois au titre de l'année 2023. Vous aurez le président de l'Assemblée qui parlera de la situation sécuritaire de l'édition. Le deuxième titre nous amènera de la sous-région au Mali plus précisément. Vous aurez une analyse sur les tensions, sur la tension plutôt qui existe entre Bamako et Kidal sur le plan sécuritaire aussi avec Seydik Abba. Enfin, la partie magazine de ce soir va porter sur la cohabitation entre la population autochtone et les personnes déplacées internes à Banquilare dans la région de Tilaberi. Voilà, c'est tout pour ce matin. Rendez-vous ce soir pour les éditions qui seront présentées en cinq langues, à savoir le français, le tamashek, le haoussa, le zarma et le fulfulde. Merci beaucoup Rafika. Le rendez-vous est pris. Et oui, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ali Munkaila Ouseni et moi-même Fanta Chamsou. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. Oui, à la technique, euh, <clears throat> c'était tout simplement Amina Hassan et la grande dame Adama Dawaki, notre chef d'édition. Alors sur ce, nous vous disons excellente journée et très bonne rupture. Ciao ciao.